lo ác của loo jàng yaa ko xam loo liggéey yaa koy moomal sa bopp loo jàng yaa ko xam loo liggéey yaa koy moomal sa bopp tey loo jàngoon nan ko xamee man lu ma liggéey man Yang aku gan mana aku gen Duna Duna duna duna duna duna yele Ah loli gaya ko hamo, fahel ba ko Ceyli ceyle ceyle ceyle ceyle ceyle ceyle ceyle ceyle man xam naa ne lii yow yaa ko liggéey looy liggéey na nga faxe ba xam ko loo jàng na nga faxe ba man ko ah ah li la yaakaar moom Ibrahima li la yaakaar moom aan li la yàgg moom Ibrahima li la yàgg moom loo doonul taanu beem mënoo doon sëriñam ci maa yele loo doonul taanu beem mënoo doon sëriñam ci maa yele sa soutenance de thèse de doctorat en pharmacie, diplôme d'État sur le sujet suivant. Revue des médicaments obtenus par biotechnologie, principe actif et mise au point. Veuillez vous asseoir. Le jury que nous avons l'honneur le grand plaisir de présider et composer M. Monsieur le professeur Ahmadou Fall, professeur agrégé de galénique, et Madame le professeur Rochay Ndiaye Diallo, professeur agrégé de génétique, et de moi-même, professeur Gibril Fall, professeur de chimie thérapeutique. Monsieur Ibrahim Giran Sigiloum, nous allons vous demander de nous faire l'économie de votre travail nous lire vos conclusions, ensuite vous soumettre à l'argumentation des membres du jury. Merci, Monsieur le Président. Je m'en vais vous lire la conclusion de notre travail. La biotechnologie empirique remonte à des temps lointains et est avec le processus de fermentation de substrats pour la fabrication d'aliments et de boissons comme le pain, les fromages, le vinaigre, les vins, etc. Les macromolécules d'intérêt thérapeutique ont été initialement obtenues par extraction à partir de liquide et tissus organiques d'origine animale ou humaine, comme, le, comme ce fut le cas de l'insuline extraite du pancréas de porc et de l'hormone de croissance extraite du cerveau de cadavre. Mais il s'avère que les quantités extraites étaient insuffisantes et présentaient une très faible sécurité sanitaire du fait des risques de contamination par les virus ou prions. Cependant, la biotechnologie commence à être considérée comme une science moderne dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec la découverte de l'ADN l'universalité du code génétique. De ce fait, la biotechnologie peut être définie comme un ensemble de technologies fondamentales qui, en utilisant au niveau moléculaire les informations et techniques biologiques, permet la découverte de produits innovants comme les macromolécules d'intérêt thérapeutique. Le génie génétique a pour principe les techniques de recombinaison de l'ADN. Il décrit simplement le transfert d'un gène d'un organisme à un autre, c'est-à-dire littéralement la recombinaison d'ADN provenant de différentes sources. La recombinaison génétique consiste à introduire dans la cellule hôte un fragment d'ADN étranger à l'aide d'un vecteur et par la suite, la cellule hôte modifiée va sécréter la protéine recherchée appelée protéine recombinante. D'autre part, les gènes peuvent eux-mêmes devenir des agents thérapeutiques. Ainsi, ils formeront avec les protéines recombinantes les principes actifs des médicaments issus de la biotechnologie. En biotechnologie, les médicaments ont été classés en deux catégories. La première étant constituée de médicaments obtenus à partir des protéines recombinantes comme l'insuline humaine, l'hormone de croissance, l'érythropoïétine, les anticorps monoclonaux, les facteurs de coagulation, les vaccins recombinants, etc. Ces macromolécules présentent une structure et une activité biologique très proche de celles retrouvées dans l'organisme humain afin d'éviter des manifestations allergiques. La seconde catégorie, quant à elle, a pour principe actif les gènes qui constituent le médicament. Ce procédé de thérapie par les gènes est appelé thérapie génique. Il s'agit dans ce cas de corriger des gènes défectueux par l'introduction de gènes réparateurs. On compte aussi dans cette catégorie les vaccins à ADN. Pour une production importante de la protéine recombinante, la cellule hôte pouvant être une bactérie, une levure ou cellule de mammifère, est mise dans des fermenteurs en présence de milieux nutritifs dans des conditions de température et pH bien définies. Après une étape de purification par la chromatographie liquide haute performance, le produit fini médicamenteux est prêt à l'emploi. Cependant, la production de ces médicaments a été industrialisée vers les années 80 aux États-Unis pour permettre la mise au point de médicaments en quantité suffisante et garantissant une meilleure sécurité sanitaire. Ces macromolécules d'intérêt thérapeutique, insuline, hormones de croissance, les anticorps monoclonaux, etc., ont permis d'améliorer la prise en charge de pathologies comme le diabète, l'anisme hypophysaire, l'insuffisance rénale, les cancers, certaines infections virales et d'autres pathologies particulièrement invalidantes. La thérapie génique, quant à elle, est utilisée dans le traitement de maladies génétiques orphelines comme la mucoviscidose, les déficits immunitaires congénitaux, etc. Récemment, l'utilisation du médicaments a suscité un grand espoir dans le traitement de la drépanocytose par thérapie zénique ex vivo. L'autre avancée importante utilisant le zen est le projet de fabrication d'un vaccin à ADN contre la maladie hémorragique du virus Ebola. Les médicaments obtenus par biotechnologie doivent faire l'objet de contrôles de qualité, de vérification de leur sécurité sanitaire et devront être impérativement soumises à une autorisation de mise sur le marché national avant d'être utilisées chez l'homme. La biotechnologie moderne a révolutionné le champ thérapeutique. De nos jours, les médicaments issus des protéines recombinantes constituent environ 30% des nouveaux médicaments vendus sur le marché mondial. De ce fait, le développement des médicaments issus de la biotechnologie devrait être pris en compte dans les différentes politiques médicamenteuses. C'en est fini, Monsieur le Président. Sans plus tarder, nous allons passer à la, lecture critique du document. Nous allons donc donner la parole à votre maître et juge, Madame le professeur Rochelle Diallo. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord de remercier Ibrahim. Giran de m'avoir associé à ce jury de thèse. Et c'est un double plaisir pour moi de siéger dans ce jury. Euh, le premier, c'est parce que c'est mon filleul. J'ai été leur euh, marraine lors de leur fête de fin de promo en 2014. Donc c'est vraiment avec beaucoup de joie que j'ai accepté d'être membre. Et le second plaisir vient du fait que je siège à côté de mon maître, le professeur, le président, le professeur Dibril Fall, à qui nous voulons un très grand estime. Du fait de son engagement dans la bonne marche de notre faculté, parce qu'en tant que chef de département, euh, pendant une certaine durée, il a vraiment œuvré pour la bonne marche de la faculté. Et nous le remercions infiniment pour cet engagement. Et nous le remercions également du fait que Lorsqu'on préparait le concours d'agrégation en 2014 à Yaoundé, euh, il nous a apporté un soutien, euh, je peux dire physique, parce qu'il était présent avec nous, un soutien scientifique, parce qu'il nous a guidés dans la préparation, mais également un soutien spirituel parce qu'il était notre imam et il nous a prodigué beaucoup de conseils. Vraiment, nous ne pouvons estimer euh, tout, l'apport, toute l'aide que vous nous avez prodiguée pendant cette période. Et je voudrais vraiment ici vous en remercier de façon très solennelle et vous témoigner notre très grande estime. Euh, cette soutenance de thèse me permet également d'être à côté du professeur Ahmadou Bamba Kouimel Fall, avec qui euh, nous avons fait le, le concours d'agrégation. Donc on a partagé vraiment des moments inoubliables, des moments qui ont permis de nous rapprocher. Donc bien que étant des collègues ici à la fac, c'est vraiment à Yaoundé où on a eu l'occasion vraiment d'être un peu plus proche à travers les différentes épreuves que nous avons subies à Yaoundé. Et nous voulons ici euh, témoigner notre attachement et notre très grande estime. Euh, je voudrais également remercier le professeur Augustin Ndiaye, qui est votre directeur de thèse, de m'avoir associé à ce jury. Et c'est quelqu'un également, c'est un maître à qui nous vouons une très grande estime et qui euh, nous rappelons pendant nos périodes euh, de formation en tant qu'étudiants il nous a donné des cours qui étaient des cours vraiment de très haute facture et que nous n'oublierons jamais. Cette, euh, thèse de ibrahim euh, qui porte sur la revue des médicaments obtenus par biotechnologie, nous intéresse à plus d'un titre, dans la mesure où elle fait référence à notre spécialité, la génétique, et donc c'est un sujet qui nous intéresse, et raison pour laquelle nous avons lu le document de façon, disons, très très poussée, afin de pouvoir euh, apprécier ce qui a été dit et de pouvoir rectifier juste certaines, euh, certaines coquilles qui permettraient de rendre le document euh, beaucoup plus utilisable. Parce que c'est un document moi je me dis qu'il faudrait mettre à la disposition des étudiants, parce qu'ils passent en revue les techniques de biologie moléculaire, mais également, surtout, les techniques du génie génétique. Et les étudiants de quatrième année de pharmacie en ont besoin parce qu'ils ont un module de génie génétique. Et donc, votre thèse leur permettra de pouvoir euh, parfaire leur formation dans ce module-là. Donc c'est un document que j'ai lu avec euh, beaucoup d'intérêt et euh, la lecture a été très facile. Franchement, je l'ai lu euh, d'un trait c'était vraiment agréable à lire. Et le point positif, l'autre point positif que je soulèverai, c'est qu'il n'y a, pas de, il n'y a pas beaucoup de fautes, fautes de français. Et ça, c'est vraiment source de félicitations, parce que de plus en plus au sein de notre faculté, on se rend compte que certaines thèses contiennent des fautes de français vraiment de façon euh, récurrente. Et donc, le fait que vous ayez pu écrire cette thèse sans qu'il y ait beaucoup de fautes est vraiment à votre honneur. Je vous en félicite. Euh, cependant, comme on dit que tout travail mérite d'être critiqué, parce qu'il n'y a pas de perfection en matière de science, et donc, j'ai relevé quelques coquilles qui vous permettront de l'améliorer. Euh, tout d'abord, au niveau du sommaire, vous avez juste omis un chapitre. C'est le chapitre 1 qui porte sur les définitions, qui porte sur les définitions et euh, Sur les définitions. En fait, ce chapitre 1 devrait être intitulé, si je ne me trompe pas, c'est à la page euh, à la page 15, si je ne me trompe pas, à la page 15. Bon, je vais vous redire la page tout à l'heure. Mais le chapitre 1 a été omis au niveau du sommaire. Si vous regardez bien dans le sommaire, vous avez commencé par grand temps grand, petit 1 définition. Donc il manque le chapitre 1 parce qu'à la page 2 du sommaire, vous avez mis chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. Donc il faudrait euh, corriger à cette page. Deuxième remarque, toujours au niveau du sommaire, sur la première page, le grand 4 petit 3, petit 1, petit 3, c'est-à-dire là vous avez parlé de la transférence terminale, ce n'est pas grand 4, c'est un petit 4. Pareil pour le 3, 4, 3, 2, 2, 2, 3. Également, c'est un petit 4. À la page 2, c'est-à-dire au niveau de l'introduction, euh, ce qui m'a accroché euh, dès la, lecture de cette page, ce sont les numéros de référence, les numéros de vos références bibliographiques. Par première référence, numéro 75, je me suis posé la question, mais comment Parce que d'habitude, je pense que vous avez la charte des thèses euh, qui vous donne comment agencer la bibliographie au niveau des documents. Euh, mais quand on décide de numéroter les références, il faut les numéroter par ordre d'apparition dans le texte. Si vous optez pour euh, mettre les références par ordre alphabétique, en ce moment, il faudrait que vous mettiez le nom suivi de l'année au niveau du document. Donc ça vous éviterait de commencer par une référence, une première référence qui est le numéro 75. Euh, toujours au niveau de la page 2, et là, c'est une question que je vous pose. Au niveau du dernier chapitre, vous avez dit que la recombinaison génétique ou génie génétique consiste à introduire dans une cellule un gène ou un fragment d'ADN étranger à l'aide d'un vecteur. Est-ce qu'on peut assimiler recombinaison génétique à génie génétique C'est la question que je vous pose. Parce que vous, vous avez assimilé les deux termes ici. Vous avez dit recombinaison génétique ou génigénité. Une autre remarque, c'est à la page à la page 3. Euh, la page 3, donc c'est la fin de l'introduction. Je pense qu'il manque une phrase, ou, en tout cas dans le dernier paragraphe. Donc il faudrait euh, revoir ce paragraphe le compléter. À la page 6 à la page 6, dans le premier paragraphe, vous avez dit que le génie génétique ne se limite pas aux seuls micro-organismes. De nombreuses espèces végétales et animales peuvent être rendues transgénèses. Je pense que c'est transgène. Peuvent être rendues transgènes. D'accord Et après, maintenant, euh, la phrase suivante, vous dites que la transgénèse est l'opération. Donc, les organismes sont des transgènes et l'opération qui permet de les rendre transgènes, c'est la transgénèse. Pareil, une petite coquille à la page 7. En 1955, euh, la mise au point de, l'ADN polymérase. Vous avez mis que cet ADN polymérase est impliqué dans la synthèse d'un acide nucléique. C'est un type d'acide nucléique parce que l'ADN polymérase, il intervient dans la synthèse de l'ADN. Donc, il faudrait bien écrire ici d'ADN, parce que cet ADN polymérase n'intervient pas dans la synthèse d'ARN. Dans l'ARN, c'est un ARN polymérase. Euh, à la page 8, la page 8, vous avez dit que les acides nucléiques, c'est dans le dernier paragraphe, disons 4, 5, lignes avant la, fin de la page, vous avez dit que les essais nucléaires sont de très longues molécules formées, donc il faudrait ajouter un accent du E, formées par la répétition de sous-unités appelées nucléotides. Et là aussi, c'est une question que je vais vous poser. Est-ce qu'il s'agit d'une répétition ou d'une succession Parce qu'il y a une différence entre les deux. Quand on répète, ça veut dire que c'est le même monomère qui revient. Alors que quand on dit succession, les monomères peuvent changer. À la page 11, la page 11 où vous avez parlé de des liaisons interviennent dans les liaisons qui interviennent dans l'association entre les nucléotides. C'est vrai que vous avez dit que ce sont des liaisons SR. Et après, vous êtes revenu pour expliquer ces liaisons SR. Vous avez parlé de deux liaisons SR. Donc, ces liaisons, dans le deuxième paragraphe, toujours de la page 11, je pense que ça aurait été mieux d'écrire que dans un acide nucléique, les nucléotides sont reliés entre eux par des liaisons phosphodiester, parce qu'il s'agit de deux liaisons estères qui sont associées au niveau d'un phosphate. À la page 14. À la page 14, euh, deux remarques. La première, c'est par rapport aux différents types d'ARN. C'est vrai qu'il y a quelques années, on distinguait uniquement trois types d'ARN. Les ARN ribosomiques, les ARN messagers et les ARN de transfert. Mais d'autres types d'ARN ont également été identifiés, comme les SNARN, les small-nucléaires ARN, mais également les micro-ARN qui interviennent dans la régulation de l'expression génétique les micro-ARN, les ARN interférences. Donc il faudrait, même si vous ne vous n'entrez pas dans les détails, les citer quand même, qu'on sache qu'il y en a d'autres. Euh, la deuxième remarque sur cette page 14, c'est concernant la figure. Euh, la figure, vous avez euh, montré sur cette figure une portion qui correspond à un gène qui commence au niveau du début de l'exon 1 qui se termine à la fin de l'exemple 3. Et après, à la page 15, vous dites qu'il y a trois régions qui s'individualisent au niveau, du gène. La région 5' non codante, la région codante et la région 3' non codante. Donc, est-ce que ce que vous avez montré à partir du début de l'exemple 1 et au début de, de la fin de l'exemple 3, est-ce qu'on retrouve ces trois régions du gène non. Donc ce que vous avez montré et sur, euh, sur lequel vous avez écrit gène, ça correspond à la partie codante ou partie transcrite. En amont, il y a la partie 5' non codante où se trouve le promoteur et en aval, il y a la partie 3' non codante. Donc il faudrait revoir ce schéma-là de, euh, la structure du gène. À la page 15, au niveau du paragraphe concernant la région 5 primes non codante, c'est juste une petite omission, mais qu'il faudrait corriger. Euh, là où vous parlez de la boîte Tata. Donc vous dites que ce promoteur contient une séquence CAAT, encore appelée CatBox, qui est le site de fixation de facteurs de, de transcription, et la boîte Tata ou Tata Box. La boîte Tata la séquence, c'est pas T-A-T-A, c'est T-A-T-A-A. Il faut rajouter l'autre A. Et c'est cette boîte Tata qui m'a valu le nom de Madame Tata Box. <laughs> Quand je faisais mes cours de deuxième année de biologie moléculaire, les étudiants disaient que j'aimais bien ce mot Tata Box. <laughs> à la page 21, Euh, à la page 21, vous parlez des ADN ligases en 3, 1, 2. Donc, vous avez dit que les ADN ligases favorisent la formation de liaisons SR entre un fragment 5' phosphate et un autre fragment 3' hydroxyle. Mais ça doit être dans l'autre sens. Parce que ce sont les ADN ligases, ils permettent de relier les nucléotides. Et en reliant les nucléotides, ils vont, vont former des liaisons phosphodiester. Et les liaisons phosphodiester sont orientées de 3' vers 5'. Donc c'est le fragment 3' hydroxyle qui va être relié au fragment 5' à l'extrémité, pardon, l'extrémité le, 3' hydroxyle qui va être relié à l'extrémité 5' phosphate dans l'autre sens. Lorsque vous avez parlé également de la préparation d'ADN, d'ADN génomique et d'ADN complémentaire, euh, je ne suis pas très d'accord quand vous dites que cette méthode est utilisable pour le clonage de gènes issus d'un génome simple. Vous avez mis en parenthèse clonage de gènes prokaryotes. Parce que l'ADN génomique peut également être utilisé, l'ADN génomique eucaryote peut également être utilisé. Par exemple, euh, lors du séquençage du génome humain, c'est cet ADN génomique humain qui a été utilisé, cloné dans des vecteurs, puis séquencé, qui va, et qui ont permis de séquencer la totalité du génome humain. Donc peut-être dans le cadre de votre travail, c'est-à-dire le clonage de, de gènes qui s'expriment en protéines, donc dans ce cadre-là, on peut dire que la méthode est utilisable chez les organismes simples. Mais cela peut également être utilisé chez les eucaryotes. Euh, et pareil pour euh, la page 22, donc cette partie préparation de l'ADN complémentaire. Là aussi, euh, vous avez mis que cette méthode est bien adaptée au clonage des gènes eucaryotes, mais pas forcément. Ce n'est pas uniquement les gènes eucaryotes. Les gènes eucaryotes dans le cas où on part d'un ARN messager et qu'on va obtenir une protéine recombinante. En ce moment, on l'applique aux gènes eucaryotes, mais ça peut également s'appliquer aux gènes prokaryotes. À la page 29, non, pardon, 27. Euh, à la page 27, dans le paragraphe concernant les euh, les principes actifs des médicaments, euh, pardon, les mécanismes de production d'une protéine recombinante à partir de micro-organismes. Donc vous avez mis que chaque gène de l'ADN humain peut être isolé et inséré dans de petits fragments circulaires d'ADN appelés plasmides. Et pourtant, un peu plus haut, vous avez donné les différents vecteurs. Vous avez dit que on peut avoir des plasmides, on peut avoir des phages, on peut avoir des cosmides, etc. Donc ici, il ne faut pas que vous vous conteniez uniquement aux plasmides. Donc vous direz que c'est de petits ADN, que chaque gène de l'ADN humain peut être isolé, inséré dans de petits fragments d'ADN. Ça peut être circulaire ou pas circulaire, parce que les phases ne sont pas circulaires. Appelé vecteur », d'accord Et pareil pour la phrase suivante également. À la page 29, à la page 29, euh, le titre de la figure 13. Le, le, titre de la figure 13, vous avez mis schéma d'un vecteur ou ADN recombinant. Là aussi, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il s'agit du schéma d'un vecteur ou il s'agit du schéma d'un vecteur recombinant est-ce qu'il y a une différence entre les deux. Parce que si vous mettez schéma d'un vecteur ou ADN recombinant, ça veut dire que c'est le vecteur qui est l'ADN recombinant. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre un vecteur et un ADN recombinant Et pour finir, Monsieur le Président, à la page 37, la page 37, vous avez euh, parlé de l'hormone de croissance comme euh, protéine euh, recombinante qui a été synthétisée à, but thérapeutique. C'est vrai que cette hormone de croissance est utilisée dans le traitement du nanisme, mais cette hormone de croissance a soulevé vraiment un débat en France du fait des contaminations au VIH et à l'hépatite B qui ont été faites dans ces premières utilisations. Parce qu'avant que la, la, protéine soit euh, produite par génie génétique, elle avait été elle avait été extraite à partir de son de donneur. Et il y a eu pas mal de, de personnes qui ont été infectées à travers cette protéine. Et donc, ça avait soulevé un débat qui court jusqu'à présent, parce la justice euh, avait été saisie du dossier. Donc, je pense que ce serait intéressant euh, d'en de, parler un peu dans, cette, dans ce paragraphe. Donc, Monsieur le Président, c'est quelques remarques juste pour euh, améliorer le document, mais qui n'enlève rien de la qualité du document ainsi que de la qualité de cette synthèse qui a été faite concernant le sujet. Donc vraiment, euh, il a passé en revue euh, tous les éléments qui interviennent dans la mise au point de ces médicaments obtenus par biotechnologie. Et donc, cela témoigne de la rigueur scientifique de votre directeur de thèse, le professeur Augustin Nier, mais également de cette rigueur qui vous a euh, qu'il vous a transmise, dans la mesure où vous avez pu faire cette synthèse. Et donc, euh, nous vous félicitons d'avoir accompli ce travail. certainement que, à côté de cette rigueur scientifique, c'est parce que vous avez eu une bonne éducation, ce qui vous a permis d'en arriver là. Et donc, nous félicitons vos parents, vos parents qui vous ont donné cette bonne éducation, et c'est sûr à travers les dédicaces que nous avons lues, qui vous ont appuyé et soutenu jusqu'à ce jour. Donc, ils méritent d'être félicités pour tout ce qu'ils ont accompli et nous prions pour eux, pour que le bon Dieu leur donne une santé de fer et une longue vie pour qu'ils puissent un jour bénéficier des fruits de leur travail. Et nous finirons par vous souhaiter, vous souhaiter une bonne carrière professionnelle et une bonne euh, vie familiale, une heureuse vie familiale. Nous n'avons pas vu de dédicace concernant euh, l'élu ou bien la... <laughs> Mais bon, nous vous, souhaitons en tout cas de rencontrer la, personne idéale qui vous permettra de vivre une vie heureuse. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Merci, professeur Diallo. Monsieur Loum professeur euh, a disséqué vos thèses, donc il a lu de façon assez profonde. Il a relevé donc un certain nombre d'observations qu'elle pourra partager avec vous d'ailleurs à la fin de la Il vous a quand même posé un certain nombre de questions et je vais vous redonner la parole pour que vous puissiez apporter les, les réponses appropriées. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. À notre maître et juge, le professeur Okaya Diallo, vous nous faites un grand honneur en acceptant de siéger dans notre jury de thèse malgré votre plan vie très chargé. Marraine de notre promotion, vous avez toujours été une référence pour nous. Vos qualités humaines et professionnelles jointes à votre compétence et votre disponibilité seront pour nous un exemple à suivre dans l'exercice de notre profession. Veuillez accepter, cher maître, l'assurance de notre estime et profond respect. Notre maître juste nous a posé quelques questions, à savoir, pour la première question, est-ce qu'on peut assimiler la combinaison génétique au génie génétique si je dis que la, le génétique est l'ensemble des techniques qui utilisent la recombinaison de l'ADN. C'est-à-dire qu'il il permet d'isoler, identifier et d'isoler des gènes pour ensuite euh, les, transmettre dans d'autres micro-organismes pour produire des protéines recombinantes. Donc ici, le génie génétique n'est pas égal à la combinaison de mais c'est les techniques d'utilisation de, la combinaison de l'ADN. Pour la deuxième question, il, s'agit de succession de nucléotides, mais pas euh, de répétition de nucléotides. Pour la, troisième question, en ce qui concerne la troisième question, il s'agit d'un vecteur recombinant ou ADN recombinant. Notre maître Exis nous a également fait des suggestions. Nous allons en tenir compte lors de l'élaboration du document final. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Président, donc tenir de ces remarques pour faire la correction. Votre marraine n'a pas vu la dédicace rose, mais comme c'est votre marraine, j'espère que à la fin de la soutenance, euh, vous la prendrez en hors antenne pour lui pour être moins discret, <laughs> n'est-ce pas Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à votre maître et juge, monsieur le professeur Ahmadou Bamba fall Il signale que professeur Augustin Ndiaye est excusé pour des raisons de santé. Professeur Bamba, vous avez la parole.